Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda. Bonsoir, euh, ici Eugène Pewa depuis le studio de la Voix de l'Amérique ici à Washington DC, rejoint par euh, Sedina qui se trouve lui à Dakar au Sénégal. Sedina, nous allons euh, prend part euh, au, deuxième match qui oppose l'équipe de Monastir au Hoopers, Monastir de Tunisie au Hoopers du Nigeria. Donc euh, les deux équipes ont déjà fait leur entrée sur le terrain, donc on ne va pas être très long. Euh, on se donne rendez-vous, euh, à, la fin du premier carton euh, pour suivre et, commenter les différentes statistiques qu'on aura après cette première, euh, après ce premier carton. Donc, disons qu'on se prend rendez-vous tout à l'heure. L'entre-deux, le match est parti. On va dans le direct risque d'avoir une confrontation de très très haut niveau avec la bataille pour les playoffs qui est complètement lancée avec ces deux équipes. On aura le temps de, décortiquer tout ça. Monastir une victoire, Hoopers une défaite. Donc pour les Hoopers c'est capital de, gagner, euh, pour Monastir aussi. Le temps de vous dire que les Hoopers évoluent en bleu, évidemment, Monastir en blanc lors de cette deuxième rencontre pour les deux équipes le ballon pour les Tunisiens avec la remise en jeu de El Mabrouk. Slimane. El Mabrouk euh, qui euh, tente ce petit, ce petit flotteur, mais un ballon qui sera toujours tunisien. Et ça va être important pour les Rivers Hoopers de contrôler ce rebond. Ça a été la question pendant tout ce tournoi-ci de ces petites équipes qui doivent comprendre vraiment, qu'elles doivent bloquer avant d'aller chercher le ballon. On espère qu'ils vont être capables de changer euh, l'avenir très rapidement. Alors je sais pas si c'est une passe ou un bon offensif, mais quelle action athlétique de Majoc. Ce qui est sûr, c'est que euh, c'est le premier panier de la rencontre et qu'il est euh, impressionnant. Les Hoopers avec euh, le ballon et un ballon perdu. Et la tentative de contre-attaque bien gérée, hein, j'allais dire presque bien gérée, avec Abada ah, c'est accordé en fait. c'est accordé. Le, ballon avait déjà touché la planche. effectivement, à ce moment-là, et c'est ça, c'est très important. On jette justement le ballon sur la planche pour s'assurer qu'il n'y ait plus de contre juste après. Le ballon. Sullivan. Ben Uzo ça fait évidemment partie des hommes à, regarder Ben l'ancien euh, joueur NBA, passé par euh, les Raptors. À 3 points, c'est parfait, ça commence bien pour euh, Chris Daniels. Lui aussi avec la NBA, mais plus en, Summer League. la réponse, elle arrive très très vite et elle arrive très bien par Ater Matjok lui aussi est passé par euh, les États-Unis, notamment par la G-League, après avoir euh, fait son cursus à, Yukon avec les Huskies. Majok qui a récupéré le ballon et, Monastir euh, qui remonte tranquillement. Hein. on prend la mesure de ce défi on prend, la, mesure du défi et surtout on a des opportunités en mismatch, que ce soit à l'intérieur et à la position du 3. Vous voyez, avec Majoc, euh, le numéro 5, le numéro 4 et le numéro 3, on est beaucoup plus grand. C'est une équipe. Oh, regardez, on va revoir cette action, la première action. Alors là, c'est un défi international sur le terrain. Il, fait bien de mettre son premier shot parce que ça va être important pour lui justement. Le plus rapidement il met son premier shot, le plus rapidement il pourra jouer à l'intérieur. Et le N1 pour euh, Radwan Sliman. Les Hoopers avec euh, le ballon et Chris Daniels pour euh, Ike Benjamin. Ike Benjamin, le drive, mais euh, la prise à deux. C'est obligé de ressortir ce ballon avec Chris Daniels qui, chute, mais la faute sifflée sur Chris Daniels les, les, les, Rivers Hoopers qui sont beaucoup plus patients que lors de leur premier match. On les voit tourner le ballon, être un petit peu euh, plus conscients. Malheureusement, à chaque fois, sur les deux actions, ils arrivent en fait dans les cinq dernières secondes et puis tout d'un coup, ils sont un petit peu pressés. Oui, on vous rappelle que le premier match, et ça peut expliquer en partie euh, le stress, c'était face euh, aux Patriots il y avait, du public euh, pour, encourager les Patriots. Allez, le ballon pour euh, les Tunisiens de Monastir avec euh, Abada là-bas dans le corner qui trouve qui trouve une solution peut-être. Le gros drive, c'est bien de Mourad El Mabrouk. Et bonne entame de match hein, de, de l'US Monastir. Benouzo avec Cristiano. Cette fois, c'est un petit peu court. Et nouveau rebond. Ah non, finalement, grosse lutte là. Et c'est pris. <laughs> Ah, ah, ah. Quelle combativité c'est un, marché qui a été sifflé parce qu'on euh, considère qu'il a joué au sol. Hein. Oui, exactement, exactement. Les pieds ont bougé alors qu'il était en train justement de combattre pour le ballon et le marché a été appelé. Le ballon pour euh, les Tunisiens avec Omar euh, Abada. Un ballon qui circule bien. Allez, le petit. Respect le la grosse défense là la petite, euh, la bonne, euh, la bonne vache ah le oui. bon cake. Ah Daniel qui est venu, euh, qui est venu en aide de voyez Daniel qui est venu en net Bézing. Alors, il a l'air parfois un petit peu, un petit peu nonchalant de sa manière de se déplacer. Mais vous avez vu, il lui reste encore de très très bonnes qualités athlétiques. Et c'était vraiment aidé au bon moment parce qu'il va avoir de plus en plus de post-up du côté de Monastir, comme on en parlait avec les mismatchs. Omar euh, Abada qui remonte le ballon pour euh, Radwan Sidiman Et on joue à l'intérieur. Ah, on joue vite, on joue très vite, mais euh, cette fois ça ne passe pas. Ballon remonté par Taren Sullivan. Ça aussi, ça fait partie des joueurs à suivre. Sullivan avec Chris Daniels. Assez ah, stagnant pour l'instant. ils n'arrivent pas à se rapprocher du cercle. Il reste 7 secondes. C'est déclenché avec le, plexi. C'est parfaitement exécuté par Ben Uzo. Lui qui avait marqué 12 points et euh, signé 5 passes d'ess lors du match numéro 1. Quelle, euh, quelle vista de Mourad El Mabrouk. Les River Shooters doivent vraiment très faire attention à ces petites choses-là qui peuvent améliorer. Là, on commence déjà à sentir il y a un petit peu de frustration. Si on veut jouer ce match de manière sérieuse, on peut pas se permettre, vous voyez, avec un 11-3 de, laisser des, opportunités. Alors, si je me trompe pas, c'est 14-5. c'est pour ça qu'il faut faire attention au score. Le score, en fait, sur votre écran euh, n'est pas le bon. C'est 14-5, 14-7 maintenant avec ce panier. Mourad El Mabrouk. En joue à travers le double screen. Vous voyez les écrans qui sont ah bah assez On, fatigue. le avec Abala. Ah. au lancement et à la finition. Un certain à terre Majok. 7 désormais. La défense est attirée et Daniel ah. s'est en fait coincé entre les deux mondes. Il n'est pas capable de monter sur distributeur, mais en même temps, le Big Man a déjà pris position. Et plus 9 désormais en faveur euh, de, de Monastir. Et eh, Benouzo qui va prendre le shoot, mais c'est un sous-marin pour Benouzo. Il n'avait pas trop de solutions. Et il s'est dit au bout d'un moment, bon bah je regarde l'horloge les 24 secondes, je le prends. Ça s'appelle une prière, hein, un hope shot. rappelle, 16 à 7 en faveur de l'US. Ben, en ce début de match entre euh, les Hoopers et le Monastir, euh, très mauvais départ euh, des Hoopers qui sont la traîne. Monastir mène sur le score de 16 à 7. On a l'impression que les Hoopers ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire sur le plan offensif. Il y a beaucoup d'hésitation, il n'y a pas de plan de jeu, la balle ne circule pas comme ça devrait l'être, c'est plus du 1 contre 1 comme on l'avait vu euh, lors de leur premier match euh, contre les Patriots et là il n'y a pas eu d'amélioration. Nous espérons voir une différente euh, face de cette équipe de Hoopers qui qui a énormément approuvé ce soir, au moins pour essayer d'être parmi les meilleurs troisièmes, mais euh, la manière dont ils ont entamé ce match euh, présage euh, rien de nouveau, rien de bon pour le moment. Nous espérons que quand même avec la présence de Ben Uzo et des deux Américains qu'ils ont, le coach a pu établir une meilleure stratégie pour attaquer ce match contre les Monassirs qui, eux, par contre, ont un jeu très organisé et prennent, sont patients et prennent les tirs euh, qu'il faut prendre au moment où il faut les prendre. Donc euh, il est très important pour euh, les Hoopers pour changer la donne de se mettre dans le match. Retour au direct. Ensemble, faisons vivre ces projets qui changent la vie. Retrouvons-nous sur sportencommun.org. De retour direct depuis la Kigali Arena avec euh, le score. Attention, ça y est, le score qui vient d'être rectifié. 16-7, c'est le bon score. Euh, bon bonne entame de l'US Monastir. L'US euh, Monastir, les Tunisiens avec le ballon à l'instant. c'est ah dommage. Ah, il le plus, il rate le Attention à sa cheville, attention à sa cheville. Ah, il est important, il est important Abada. Absolument. Très, très, très important. Sur cela, c'est un petit peu le, leader. C'est on va le revoir. Retomber. malheureusement, on voit, voit pas ses pieds, mais c'est vrai qu'il s'est un peu tordu la cheville. Ça a pas l'air d'être trop important. Non, non, ça va mais c'est parce qu'on l'a vu au sol et on l'a vu euh, tenir sa cheville, on a eu un petit peu peur. C'est intéressant cette équipe de Monastir, hein, avec euh, des grands et aussi des petits très rapides. C'est un bon équilibre. C'est ce qu'on appelle une powerhouse. C'est vraiment une équipe qui a l'expérience du jeu, euh, mais qui a aussi le, roster, l'effectif qui peut lui permettre d'aller jusqu'au bout de, cette, de ce tournoi. Et le jeu rapide cette fois, le jeu de transition, ah, magnifique. Ah, L'extra passe. passe. Alors, je veux juste ce qui se passe des choses toutes simples que vous retrouvez dans ce match-ci, c'est que vous avez une cross passe, c'est-à-dire que vous avez une, passe d'un côté du terrain à l'eau justement pour couper cette défense et à partir de là en fait vous poussez la défense en close-out. Vous voyez cette cross passe qui ramène tout le monde en close-out et c'est parti, vous avez un mouvement très très simple. Et on va retrouver euh, sur la ligne Ben euh, Romdan Makrem Ben Romdan. surnommé le gladiateur. Euh, meilleur marqueur hein, lors du premier match euh, dans, tous les domaines. 23 points, meilleur scoreur, 10 rebonds, meilleur rebondeur, 6 passes des meilleur passeur euh, de l'US Monastir. Lui qui a été, ah oui, on 5 <laughs> fois champion de Tunisie, une fois champion d'Égypte gros, euh, gros CV. Allez, un tir en première intention là dans le corner, c'est manqué de peu et encore un rebond bien pris euh, par Majok euh, Allez, la passe à l'opposé et le tir en première intention qui fait mouche <laughs> Oh là là là là Roudouane Sliman Radouane Sliman en feu et, souriant en plus. Avec 40 euh, ans, CK comme on l'appelle, il a un CV plus grand que ma, page. Euh, c'est incroyable. Encore là, dans un 5 de base, et vous voyez ce qu'il est capable de faire. Moi, je me rappelle que j'avais scouté son équipe quand je travaillais encore avec les Spurs. C'est un joueur qui est capable de jouer vraiment forward 3 et 4. Et il y a quelque chose qui est spécial quand il pénètre. Je me rappelle très très bien de lui, c'est qu'il aime bien palmer le ballon et terminer dans la raquette c'est qu'à 40 ans, comme quoi euh, le basket ça concerne. Ah, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, ça veut dire j'aurais pu jouer peut-être plus longtemps, mais. <laughs> Allez, le ballon pour les Hoopers. Avec Ben Uzo qui cherche une solution, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est assez statique, il a pas, on propose pas trop de solutions, encore un, gros contre, superbe contre et derrière le, jeu rapide, ça ne fonctionne pas cette fois malgré la tentative de Chris Crawford. Benouzo, Benouzo qui se rapproche, qui travaille avec euh, le plexi, le petit bank shot pour Benouzo pour euh, rester au contact, c'est important parce qu'il ne reste plus que 3 minutes dans ce premier carton et l'écart est déjà fait en faveur de l'US Monastir 22 à 9 plus 13 désormais. C'est l'écart évidemment qui permet à l'US Monastir d'aborder ce match pour l'instant plutôt sereinement. Bouzo la faute sifflée. Il, commence à monter, il commence à monter. L'échauffement, il, a, commencé le match en fait en regardant ce qui se passait. Cette équipe des Rivers Peur a besoin de lui, a besoin de Sullivan, a besoin aussi de trouver un troisième scoreur. C'est ce qu'il c'est ce qui leur a manqué finalement contre cette équipe du Rwanda, c'est qu'il manquait énormément de scoring. Le ballon pour les Hoopers. Salut. Qui, qui prend et qui met. Precious Saliu, lui qui n'avait joué que deux minutes lors de la première rencontre et qui n'avait euh, pas inscrit euh, le moindre point, le, pas pris le moindre rebond, pas de passe d'ess, rien. Et là, eh bien, c'est déjà beaucoup mieux et ça, fait du bien aussi aux Hoopers qui reviennent euh, à 10 points. Psychologiquement, c'est mieux d'être à 10 points qu'au-delà. Hein. Oui, tout à fait. C'est plus important. On appelle ça la barre psychologique. Mais surtout, comme vous venez de le dire, ben Uzo et Jazz Sullivan, ils ont besoin que les coéquipiers aient un petit peu d'adresse derrière les des trois points pour permettre cette pénétration euh, initiale. Oui, et puis surtout euh, dégager un petit peu la défense. La raquette, ouais, la raquette, exactement. Leur donner un peu d'espace. Ah, ballon ressorti un peu euh, difficilement par Wael Haraji et le ballon perdu. La contre-attaque peut-être le bon repli défensif. Ça aussi c'est admirable. La façon dont l'US Monastir est venu se, replier, défendre et, contrer finalement. C'est juste ça, ça, fait partie du caractère. Oh, que c'est beau ça Le petit spin move et le blind shot. Eddie, eh, Eddie, et, eh, eh, Il y avait une faute. il y avait un petit témoin de l'arbitre. Mais bon, ce sera, sera pour la prochaine, comme ça tu le sais. Allez, je vous l'accorde qui, nous sort un, look avec les goggles, hein, comme pas mal. Hein. hein. Firas euh, Layani. Firas Layani, 29 ans, international tunisien, ils sont quasiment tous, on n'a pas eu le temps de vous en parler, mais c'est quasiment l'équipe nationale. Euh, Firas euh, Layani, trois fois champion de, Tunisie. C'est aussi un joueur de 3-3 qui a été le most improved player, le, joueur ayant le plus progressé en Tunisie en 2014. Le ballon pour les Hoopers. il, est temps, d'engager dans un jeu d'équipe, mais surtout, plus que jouer d'engager dans un jeu d'équipe, c'est créer des opportunités travailler. C'est un petit peu court, mais euh, rebond euh, offensif pour les Hoopers. Encore cette isolation. encore, mais non. Il est poussé à faire des miracles. devient, ça peut devenir un problème. Pas de réussite en tout cas sur euh, cette séquence pour lui. Arakji, Wahel Arakji, 26 ans, l'un des tout meilleurs passeurs côté euh, Monastir en ce qui concerne la, première rencontre. Yaza qui est rentré. Voilà, Mokhtar qui va tenter. Euh, le tir mais un petit peu court. On arrivait au bout des 24 secondes, il fallait le prendre, quoi qu'il arrive. Benouzo, oui, il faut, faut pas que tout repose sur Benouzo. Oh, c'est bien défendu encore ça vous voyez les difficultés Dès que les mains, l'unique créateur, en fait, l'initiateur de cette attaque, c'est Benouzo. Le créateur, c'est Benouzo, mais à partir du moment où il passe le ballon, si ça n'arrive pas dans les mains de quelqu'un qui saute à 3 points, ça devient difficile parce que cette équipe des River Soupers n'a pas ce créateur. Et puis c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que si Benouzo euh, fait tout et que ses partenaires n'arrivent pas à le relayer, eh bien défensivement on sait qui cibler. Hein. Vous, vous doutez bien que l'US Monastir a scouté ce match, a scouté cette équipe. Et encore un ballon euh, perdu par les Hoopers. À trois points longs, cette fois c'est manqué. Un rebond euh, précieux pris par euh, Chris Daniels. Et le pied sur la ligne là, c'est toujours assez frustrant. Mais c'est le cas avec Simon Hamé qui a marché sur la ligne. Il reste simplement 10 secondes, Jacques, avant la fin de ce premier carton qui est passé très très vite. Le score pour l'instant c'est du simple au double. 12 pour les Hoopers, 24 pour euh, l'US Monastir. Et euh, nouvelle tentative, c'est encore manqué de peu par euh, Macren Ben Rondan. Allez, fin de ce premier carton. Un premier carton clairement à l'avantage de, l'US Monastir. Les meilleurs marqueurs avec Slimane et... Eh ben, nous nous trouvons actuellement à la, fin de ce premier carton. Euh, et nous voyons une nette domination de cette équipe du Monastir. Il s'avère que euh, les Hoopers qui avaient largement perdu leur match euh, euh, d'ouverture contre les Patriotes étaient attendus aujourd'hui pour faire une, meilleure prestation. Mais malheureusement, très peu d'ajustements ont été faits par le coaching staff. C'est un jeu qui est basé sur euh, ben Uzo qui porte le ballon tout seul. Euh, le ballon ne circule pas euh, suffisamment pour permettre à l'équipe des Hoopers d'avoir une meilleure prestation, ce qui fait qu'il est difficile en tant que collectif en tant que collectif de, pouvoir avoir un, meilleur résultat. Là, pour le moment, les choses ne se passent pas du tout très bien pour eux. Euh, l'écart est important, euh, non seulement au niveau des points, mais l'écart est important dans le, dans, le, dans le niveau du jeu du match. Ce qui fait que euh, on se pose des questions. Sedina, les Hoopers ont du mal à rentrer dans le match. Comme au premier match, il n'y a aucun fond de jeu. leur façon de jouer est basée sur le 1 contre 1, aucun, aucun tactiquement, aucun jeu d'équipe. Alors qu'ils sont face, euh, en face d'une équipe qui est tactiquement très organisée, ce qui fait déjà une grande différence. Et qui se ressent également sur le jeu et dans le match. Et également, ils font face à des joueurs déterminés et talentueux. Donc, euh, ce sera un match qui s'annonce difficile pour eux. et déjà le premier quart dans du monde. Tout à fait. Là, on repart au direct. On se retrouve à la mi-temps. OK OK. Alors j'aime bien le fait qu'aujourd'hui ils soient un petit peu plus calmes. <laughs> ils vont justement malheureusement aller dans, dans, dans, dans au contresens, c'est ce que je voulais dire. Mais être organisé, trouver des bonnes solutions, prendre les shots à trois points, ça va être un effort d'équipe pour les Hoopers ce soir. Attention, le tir à trois points, bien sûr, il n'y a personne, personne pour défendre sur Mourad El Mabrouk et il va, il va en profiter et il en profitera à chaque fois parce que c'est un, un sharp shooter, c'est un, c'est un, un expert du tir. Ah, ils en ont quelques-uns du côté de, l'US Monastir, des joueurs qui s'achetaient à 3 points. Et Simon Ahmed, et, euh, Ahmed et nouvelle euh, perte de balle côté euh, Hoopers. Et ça, c'est toutes des petites choses que vous pouvez changer. Contre les Patriots, ils avaient eu plus de 20 paires de balles. Je vous avais déjà dit, à partir de 11-12 euh, paires de balles, vous dépassez votre quota en fait qu'on permet. 20, euh, c'est énorme. Là, Ben Ouzo ben est, descendu. Donc là, c'est un moment où vraiment pour l'équipe du Nigeria, ça devient important de se calmer, de retrouver un, certain rythme. C'est la seule stat que ces deux équipes ont en commun. 20 pertes de balles, les deux équipes lors du premier match. Mais ça me fait moins peur pour Monastir 20 paires de boîtes que pour, le, pour River Hooper. Je, suis d'accord avec vous, Jacques. Allez, c'est reparti. On essaye de mettre un petit peu de vitesse côté, euh, côté Hoopers, notamment avec euh, euh Saliu. Le ballon dans les mains de Simon Amé. Amé en tête de raquette avec euh, Saliu qui obtient la faute. Il aura trois lancers probablement, Precious Saliu Et la faute est siffler à Crawford, Chris Crawford. Ah, voilà, il est dans, il est dans son cercle. Vous le voyez, il avait déjà d'ailleurs touché au niveau de la taille, mais il ramène la main dans le cercle. Effectivement, c'est une faute bien appelée de l'arbitre. Si vous avez un doute, mesdames, messieurs, dans ces cas-là, qui réduit l'écart. Quand il y a un contact qui réduit la distance. Et effectivement, là, illustration parfaite, il est rentré dans le cylindre. C'est le défenseur. Voilà. Exactement. Attention que vous avez aussi des, fautes offensives. Si par exemple le shotter sortait de son cylindre, on a souvent des joueurs qui aiment bien kicker, taper du pied vers l'avant, ce qu'on trouvait avant assez souvent. Mais là, alors, ce sera une faute offensive qui sera mise sur le sur l'attaquant. Ouh là là. Il n'est pas très joli ce troisième lancé, mais bah, peut-être que. Eh ben voilà, c'est parfaitement exploité, parfaitement exploité, une séquence euh, à 4 points. Et d'ailleurs, ça fait pas plaisir à, certains joueurs et notamment les, plus expérimentés, notamment à Slimane, qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette séquence-là Et a eu, comme l'avait dit, qui n'avait pas joué énormément lors du premier match, et il a trois chutes d'affilée à 3 points. Me dites pas qu'il est précieux. <laughs> J'ai vu votre œil qui, frise. Mais à chaque fois vous parlez l'anglais, vous me faites rire alors, ça, c'était. le quatrième. Alors, Stephen Curry, c'était hier soir contre les Lakers. ça va peut-être pas être aujourd'hui contre l'US Monastir. À trois points, attention, il est très très loin. C'est superbe! Superbe! Chris Crawford pour 3 euh, points supplémentaires et désormais un score qui reste du simple double de 16 à 32. 32 pour euh, Monastir alors qu'on entame simplement le deuxième carton. Ça peut faire un gros score si on reste sur cette base. La bataille pour le rebond, il est capté par euh, les Tunisiens une fois encore. Et beaucoup de sérénité, un gros QI basket, on l'a vu avec euh, la qui a dit ah, on se calme, j'ai le ballon, tiens, viens m'aider, hop, on repart tranquillement, pas de précipitation. Take care of the ball. Faire attention au ballon. Ouh Gamel est là et là, c'était Air Tunisie. Hein. Mais ça, c'est l'effet des goggles. Ah, ça, moi, je vous le dis. James Worthy, sort de ce corps. Le ballon pour Amé. On est trop, on, est, statique. on est statique, unidimensionnel. On a eu euh, plusieurs shots à trois points. On n'a pas de jeu. Alors le basket, on aime bien les shots à points, mais il faut jouer un, jeu intérieur. Donc, le problème, c'est que le, ballon ne bouge pas assez, mais aussi il n'arrive pas dans les endroits stratégiques. Le ballon dans les mains de Araki. Araki de nouveau en tête de raquette aussi qui va défier son défenseur. Il est passé et peut-être une possibilité à trois points encore cette fois. C'est manqué par euh, Firas euh, Layani. Manqué de peu lui qui avait marqué 8 points, pris 4 rebonds lors euh, du premier match et ça c'est encore un, gros raté côté Robinson Opong l'équipe des, l'équipe Hoopers qui continue à, s'entêter, à prendre des shots à trois points. Crawford qui cherchait euh, une passe, il a trouvé le partenaire. Au-dessus, il y a un vrai mismatch. Et là, pour l'instant, c'est un, clinique. C'est une démonstration de force et de, réalisme euh, basketball livré par euh, l'US Monastir en ce moment. 34-16, l'écart qui continue d'augmenter et toujours pas de solution pour euh, les Hoopers, toujours très statique. Et encore un rebond pris tranquillement par euh, Wael euh, Araki. Oh, la petite... Oh, le petit, dans ben, la leçon continue. Ah oui, j'ai peur là. Là, j'ai peur parce que le niveau de confiance de l'équipe tunisienne est est, au-dessus de, l'arène. Euh, l'équipe nigérienne commence à perdre en énergie, en, décision, on continue à, chuter. ça commence à être compliqué. Le professeur sur le parquet en ce moment s'appelle l'US Monastir qui est en train de donner une leçon de basket aux River Soupers. Et quand on se souvient, Jacques, que lors du premier match, eh bien, ils avaient gagné 113 à 66. On est, rendez-vous compte, sur ce genre de base. Hein. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est, alors, là, alors, on, <laughs> on monte la tentative ratée, le contre. Eh bien, les choses ne s'arrangent pas au Kigali Arena pour euh, les Hoopers euh, du Nigeria qui n'arrivent pas du tout à rentrer dans le match mené 36 à 16 à 5 minutes 32 de la, de la mi-temps. Cette équipe du Nigeria euh, n'arrive pas à faire les ajustements pour développer un jeu collectif. On voit une équipe euh, qui passe son temps à faire du 1 contre 1, euh, qui prend des tirs sans avoir leur, leur pivot à l'intérieur pour faire les rebonds, qui sont très maladroits. Euh, actuellement euh, euh, euh, à, mi-distance, à distance, ils ont eu quelques, quelques chances à, à 3 points, 3 sur 11, mais dans l'ensemble, c'est 27% de réussite, ce qui est, qui est grave. À cela, vous ajoutez les pertes de balles. de nombreuses pertes de balles, très peu de rebonds, en fait, euh, les choses ne se passent pas bien du tout pour euh, cette équipe-là. On repart, euh, on repart au direct. On repart au direct. Il reste 5 minutes 32 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et le ballon perdu encore, bien capté par l'US Monastir qui joue juste depuis le début de la rencontre à, l'image de El Mabrouk et de Aragji. Le ballon dans les mains d'Omar euh, Abada. Et regardez, il a tout son temps, mais oui, tout son temps, vous parliez d'intensité défensive, il n'y a pas de défense, il n'y a, pas de défense. Exactement, les Tunisiens choisissent leur shot et ils en ont quasi 3-4 opportunités à chaque fois qu'ils ont une attaque. Oh, ben il, est, présent, il est présent. oui, oui, oui, c'est pas terminé, hein. un 2 contre 1 à jouer peut-être, pas de faute. Avec la grosse défense de Benouzo, et derrière, peut-être euh, la possibilité. Non. Vraiment, on se rattrape. Euh, vous voyez, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez la rage. Ils sont, ils gagnent déjà de plus de, de 23 points. Vous voyez la rage de revenir en défense et de continuer à prendre la bonne décision. Quoi qu'il arrive sur ce match, vous construisez sur le prochain. 39 à 16 pour euh, l'équipe de Monastir, les choses ne font que s'aggraver. Euh, euh, cette équipe de Hoopers n'est que l'ombre d'elle-même. C'est comme si elle n'avait pas fait une préparation pour ce tournoi. Hein. Les gens n'ont aucun repère, aucun jeu collectif sur le plan offensif, sur le plan défensif, il n'y a aucune rotation défensive. Sur le plan offensif, il n'y a aucun mouvement, pas assez de passes, pas de patience. Et, en défense, on voit cette équipe euh, de se joindre.